Euh, bonsoir euh, mes chers amis, bonsoir euh, mes chers compatriotes, bonsoir peuple sénégalais, ce peuple mature, bonsoir à tous les Africains. Bon, juste apporter une réponse à ces panafricains-là, à ces activistes à la con, et que j'ai entendu et qui ont proféré des insultes à l'endroit des institutions de ce, de ce pays, de notre Sénégal. Bon, moi, je m'en fous, hein. Ça dit, c'est mon, mon problème, c'est pas, c'est pas, c'est pas Mon problème, hein. bon, voilà, ce sont les institutions de ce pays. Moi, je suis un républicain, je défendrai jusqu'à ma tombe cette république, ainsi que, bon, voilà, donc, les Sénégalais. C'est avec qui j'ai choisi de vivre, et ensemble. Je les ai entendus traiter de tous les noms d'oiseaux, euh, bon, voilà, une institution de ce pays. Bon, à eux, à ceux-là, j'aimerais tout juste euh, apporter un éclaircissement. Euh, le Sénégal est un pays mature. Les gens sont intelligents. De Senghor à, euh, au dernier élu, nous avons su, par la voix des urnes, élire un président de notre choix la majorité l'a toujours remporté. Senghor peut-être a eu à donner le pouvoir à Diouf qui deux ans après a fait des élections qu'il a remportées. Donc ensuite en 2000 Abdullah Wade est venu. Donc voilà, donc par la voix des urnes, il a remporté les élections. En 2012, le président Macky Sall est venu, donc il a remporté les élections. En 2024, le peuple a choisi son président. Donc ça aussi, il faut, il faut le clarifier. Donc, toutes nos alternances, tous nos changements de régime l'ont été par la voie des urnes, de la manière la plus démocratique, où les citoyens sont sortis. Donc nous, nous sommes un peuple qui a préféré choisir la voie de la diplomatie, de la démocratie à la symphonie des armes. Mais vous, activistes à la con, vous, vous insultez les responsables ou bien les dirigeants de notre pays, alors que vous, vous avez connu cinq coups d'État dans votre dictionnaire politique, dans votre dictionnaire euh, euh, sociopolitique, vous avez connu cinq coups d'État. C'est les trois mots qui reviennent dans la politique malienne, c'est coup, de apostrophe État. Et c'est ça. Modibo Kaita était venu en 1968. Il a été victime de coups d'État. Ça, c'est sûr. C'est l'histoire. Ça est là. Les, les, Sénégalais le savent, les Maliens aussi le savent. En 1968. Moussa Traoré est venu. En 1991, coup d'État. Donc, coup d'État. Donc, ensuite, Amadou Toumane est venu au pouvoir. Ensuite, Amadou Yaya, Amadou Aya Sanogo est venu encore par le biais d'un coup d'État. Assimi Goïta est venu lui aussi par le biais d'un coup d'État. Vous êtes une nation qui a connu même un gouvernement par intérim. Actuellement, vous êtes dans un gouvernement de transition qui a duré maintenant trois ans. Vous ne savez pas organiser les élections. Vous n'avez pas prendre votre destinée, votre propre destinée en main. Vous voulez vous substituer à nos institutions pour nous pousser à prendre notre destin en main. Vous vous trompez lourdement. Ça, c'est primo. Secondo, nous sommes un pays qui, bientôt, sera un des plus grands pays exportateurs de gaz, le gaz to power, et un des pays aussi exportateurs de pétrole, les hydrocarbures. Donc nous ne boxons pas dans le même ring. Nous ne boxerons pas dans le même ring que les pays à 3K, au caractère concurrent. Nous sommes un pays mature. Et tertio, nous sommes un pays qui contrôle la totalité de son territoire national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes maîtres de nos terres. Nous sommes maîtres de l'ensemble de la superficie du Sénégal. Et vous, vous avez perdu presque la moitié de votre territoire. Commencez d'abord par enlever la notion de coup d'État de votre vocabulaire politique. Essayez d'organiser des élections libres, transparentes comme nous, où la passation comment dirais-je, de pouvoir se faire d'un président, euh, d'un ancien président à un nouveau président. Essayez ça d'abord. Essayez de récupérer l'ensemble de votre territoire pour ensuite revenir vous mesurer à nous ou bien mesurer vos propos à nos dirigeants. Vous êtes mal parti. Vous êtes mal parti. L'Afrique, avant d'être un ensemble, avant qu'on ne parle de CDAO, avant qu'on ne parle d'UMOA, avant qu'on ne parle d'Union africaine, nous sommes des pays souverains, libres, qui exercent, comment leur souveraineté comme ils l'entendent. Donc, aujourd'hui, nous voulons voir, je suis resté une journée déglou. Nous activistes, nous un activiste. nous mais duñu fayu bu saga suñu suñu institution mais parce que ñoko ko ba pare mais man en tant que sénégalais en tant que citoyen sénégalais du ma koy toog di xol ñuy saga institution réewum ça je parle je parle gobe te bu doon ñukoy saga sax xaw nañu am tuuti euh, tuuti touti hauteur ci yenn affaire yi ñu ne waaw kan moy saga Sénégal ak ay institution ñu ne wa Mali ay activistes pas mal Mali mais ay activistes panafricains c'est pas les Maliens mais c'est des panafricains des gens qui n'ont rien compris qui n'ont que des bougies dans la tête donc nous nous suñu institution nous ma bëgg leen nous ni ñun Sénégal Nous ngalaama nous toog na ba nous raay jox Abdou nous Abdou Nous je pense deux deux ans après mon organiser élection ba li de 1981 à 2000 Lim pas gagné Les élection les voix les gens sont sortis allez voter voter nit mu quand ils voter le dem opposition Abla est venu en 2000 gagné Abdou Diouf Abdou Diouf vous ko téléphone félicité ko ba a une passation de service ñu à Abla Wade est venu dem pendant 12 ans président Macky Sall a gagné ko ci a élection mu élection félicité président Macky Sall de 2012 à 2024 ne moom bokul arrière na arrière na maanaam moom arrière na ndax jamm Sénégal pour la paix du pays pour la paix et la sécurité de ce pays le président Macky Sall a préféré ne pas être candidat vous pouvez amna ça existe chez vous votre Modibo Keïta là est resté au pouvoir de 1960 à 1964 avant que que que que éjecté en 1968 mu ñew coup d'état am yeen am ngeen coup d'état ci Modibo Keita dañ ko dégager coup d'état mom mi ko dégager Moussa Traoré coup d'état moko dégager muy Amadou Toumane Touré Amadou Toumane Touré jox pouvoir Alpha Omar Konaré koku ñëw tok Amadou Aya Sanogo ñëw dégager coup d'état ngeen am gouvernement par intérim par l'intermédiaire de Diokounda Traoré ngeen jugé fofu Ibrahim Boubacar Kamara Boubacar Keita ñëw tok 2000 2000 ngeen dégager par coup d'état par Assimi Goïta pendant trois ans il y a ngi gouvernement de transition pendant trois ans il y a un gouvernement de transition waa a organiser élection Il y a wax ñu y a def président a un mu a ne bokkul Amadou Ba dem élection ak ak candidats à 18 candidats mu dem élection yi résultat yi cour d'appel ak conseil constitutionnel di transition. Il mu a télé mu transition. Il gagné a un la tay gis ngeen ñu dem pare dem sa fonté président bi fi nek ñun loolu la ñu xam ñun loolu la ñu xam nous sommes une nation civilisée nous sommes une nation ouverte mën nañu xex suñu biir nak mën nañu jàmmarloo suñu biir mais duñu seetaan nak ben ay ay kalabante jugee fay ñëw dañuy song suñu dañuy donc dañuy song suñu suñu ban combat ngeen mëna yeen vous vous avez mené quel combat pour le Sénégal quel combat avez-vous mené pour le Sénégal pour pouvoir se mettre là-bas en train de piailler là et de perdre nek foofu non di débattre de débagouler comme ça di saga di saga Sénégal ak sénégalais ak suñu institution réew yéen vous êtes qui? yéenay ñan manam donc man li ma bëgg moy yeen ana panafricains cest vous les panafricains vous les activistes panafricains maliens li ma bëgg commencer d'abord ngeen organiser ay élections libre yu transparente yu démocratique Commencez d'abord par remplacer la symphonie des armes par la voix des urnes Madame tàmbali leen remplacer yi ngi di dégg bis bu ci ay d'état Résultat bi ñuy dégg ci d'état chaque matin de clameur remplacer leen ko par la voix des urnes par la voix de la démocratie par l'intelligence Nous ne sommes pas un pays nous quand nous am indépendance nos leaders depuis Senghor depuis Galandou depuis Blaise Diagne nekkuñu fi woon de brandir la force non par l'intelligence on a eu on a obtenu li nga xam war par l'intelligence nous avons ñuy génnee France CFA par l'intelligence nous avons ñuy un ba dans l'ensemble nekk lu mucc ayib pas par par ay ou wala wàcce ben drapeau français ou ben drapeau russe c'est pas ça nous ne sommes pas dans l'euphorie

Vous allez voir les Sénégalais en paix. Vous allez voir les Sénégalais réconciliés. Vous n'allez pas voir notre pays en feu et en flamme. Pourquoi pas tout simplement l'armée s'est levée pour, pour mener un coup d'État. Et c'est ça. Donc, mourrez de jalousie. Mourrez, vous allez voir le Sénégal en paix. Maintenant, nous, c'est-à-dire moi, je ne défends pas ay Moi, quoi man ne pas pas ci pour moi je défends des institutions voilà donc man loolu laa bëggoon mu clair ci bop ces actes ces cons là yi nga xamante dañ fi tok bëgg réew mi tàkk tàkku nga bëgg ñëw di saaga suñu président pourquoi. donc loolu la loolu la amon lo xamante ni bëggoon naa ko waxtaane ak yéen et telle est l'économie vraiment euh, de cette vidéo donc j'ai voulu tout simplement apporter une réponse et ceux qui comprendront bambara pourront m'aider à traduire cette vidéo en bambara et le donner à ces activistes et la donner du moins à ces panafricains activistes là voilà. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, merci à, tous, à, toutes et à tous. Et vraiment, voilà, à mes amis chrétiens, nous souhaitons, euh, comment dirais-je, une de, bonne, très bonnes fêtes de Pâques et que le Seigneur accepte votre carême. Merci. Bonne nuit.